Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression Azab al-Qabr, châtiment de la tombe. Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Pensez-vous sérieusement que notre religion, qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, eh bien une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon. C'est sérieux ça La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie catastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysante, destructrice, et en plus qui vont associer ça à Dieu. Ça veut dire que du coup, ça pousse à avoir une représentation du divin qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. rotu rotu Al-Quran ndax ni mu tuutee te lépp nekk ci ni mu tuutee te lépp nekk ci te kudul naafeq jullit nangu nga lool